The forum du studio le forum du studio Calamou forum du studio Calamou forum du studio Calamou forum du studio Calamou forum du studio Calamou forum du studio Calamou forum du studio Calamou forum du studio Calamou forum du studio Calamou forum du studio Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amfani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozérine, Magaria, Tamaske, Bouza, Dolpel et Saï. Ce vendredi 14 octobre, nous avons choisi de vous parler de sport, le sport au Niger et sa politique. Nous allons nous demander d'abord s'il y a une politique sportive au Niger. Si oui, qu'est-ce qu'il en est de la mise en œuvre Quel est le rôle des fédérations sportives dans cette politique et comment s'applique-t-elle sur le terrain Indépendant de cette politique, c'est certainement le financement. S'il y a l'argent, disons, dans beaucoup de cas, ça marche. Le sport est-il financé pour espérer des résultats sur le terrain pourquoi y a-t-il plus de résultats en compétition pour certaines disciplines que d'autres On peut dire par exemple qu'en taekwondo, le Niger a pu arracher une médaille olympique dernièrement au JO de Rio de Janeiro 2016. Abdelrazak Issouf Alfaga a obtenu la médaille d'argent. Que récemment encore, les joueurs de l'équipe nationale Ménacadé ont réalisé la prouesse de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN qui aura lieu en 2017 à Madagascar. Mais que dire aussi de certaines disciplines qui sont pratiquement méconnues faute de résultats Pour avoir quelques réponses, puisqu'il est difficile d'aborder toutes les questions en 45 minutes, et avec tout le monde bien sûr, nous avons quelques acteurs, nous avons invité quelques acteurs. Il s'agit du président de la Fédération nigérienne du Maracana et discipline associée, M. Seyd Megizo, que nous attendons d'une minute à l'autre du président de la Fédération nigérienne du sport paralympique, Monsieur Ousmane Haruna. Ousmane, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être venu. Et un observateur averti de la scène sportive, notre confrère et chroniqueur sportif, Sekouberi Ibrahim de La Voix du Sahel. Merci, Sekou. Bonsoir, maman. Et bonsoir à toi. Voilà, nous allons commencer par euh, une question d'actualité avec la Fédération nigérienne de football qui vient de révoquer le bureau de la Ligue régionale de football de Niamey. Cette décision fait suite à une pétition signée par 29 des 38 clubs que compte la Ligue. Je vous propose, euh, nous allons écouter ensemble, monsieur Adam Moukela, le président de Liberté Football Club. Concernant la pétition proprement dite, elle a été axée sur trois points principaux. on parle du dysfonctionnement constaté au niveau de la Ligue de Niamey, sur les 11 membres élus, au cours de la saison écoulée, seul le président était visible. Les autres membres n'ont pas été actifs. Deuxième chose, c'est l'absence d'un bilan financier à la fin de la saison. Il y a 10 millions qui ont été versés à la Ligue à travers des différentes activités cette année. Malgré ces fonds, des arbitres continuent d'acquérir des arriérés de primes. On a même remarqué que des matchs se sont joués sans sécurité. Certains terrains étaient mal tracés. On a parlé de fonctionnement sans aucune orthodoxie. Les décisions souvent se prennent à la hâte, en consultation préalable des acteurs du football. Toute la saison, la Ligue a fonctionné sans statut propre. La Ligue aurait avoir son règlement spécifique, mais il n'en est rien. Voilà, Adamou Moukela, président de Liberté Football, euh, Football Club, euh, sur euh, la révocation du bureau de la Ligue régionale de football de Niamey. nous revenons au studio. Vous avez bien entendu ces propos de Adamou Moukela. Monsieur Haruna, on va commencer par vous. Ah, qu'est-ce que, comment vous, vous analysez ce genre de situation, vous qui êtes président de fédération tout à fait. Est-ce que c'est c'est quelque chose de quotidien, de fréquent Oui, bon, <clears throat> on peut se dire que c'est quelque chose de quotidien dans la gestion de nos fédérations sportives. Euh, voyez-vous, surtout, euh, comme vous l'avez dit dans votre introduction, pour les fédérations qui sont bien nanties. Vous savez, le football, c'est l'une des fédérations qui est bien nantie, qui dispose d'une subvention. Alors, vous savez, on dit que l'argent est le nerf de la guerre. Donc, euh, quand euh, les gens, c'est-à-dire les ligues, se sentent vraiment marginalisées, ou quand on constate une mauvaise gestion des fonds mis à disposition, et le monsieur qui vient d'intervenir a parlé du, manque de sécurité, des terrains mal tracés. Donc il y a euh, vraiment des problèmes financiers, organisationnels, qui font, qui a, qui a vraiment poussé les clubs à demander la dissolution carrément de la Ligue de Niamey. Donc, voyez-vous, euh, dans nos fédérations, c'est des problèmes euh, qui se posent quand vraiment il y a l'argent et quand les gens constatent que, euh, en fait, l'argent là n'est pas utilisé à bon escient. Il y a toujours des révolutions. Et encore, Donc il y, a, y a la disponibilité, mais aussi la gestion. La gestion des fonds. Des fonds, tout à fait et également la mauvaise organisation des événements sportifs parce qu'il a parlé du manque de sécurité, des terrains mal euh, tracés et d'autres, euh, c'est-à-dire des arbitres qui ne sont pas rémunérés euh, qui officient les matchs et qui sont pas rémunérés. Donc, ce, ce, ce, cet état de fait a fait que vraiment, euh, les clubs ont signé des pétitions, ont hein, demandé euh, la dissolution de, de, cette ligue. C'est des situations qu'on retrouve dans les fédérations Dans les fédérations, quand vraiment il y a des financements. Et, je, je, me permets de dire, quand vous voyez les fédérations sont très calmes, euh, c'est que parfois il n'y a, pas, y a pas de fonds, il n'y a pas d'argent. Euh, donc euh, les gens sont calmes, on croise les bras. Mais dès qu'il y a le fonds est disponible, euh, la guerre commence. Sekouberi, <laughs> vous êtes Vraiment, surpris <laughs> de cette déclaration Non, pas du tout surpris, mais bon, c'est vrai que c'est une querelle de, de reproches. de reproches qui ont été donc faits. Et je pense que à ce point, vous avez tout entendu. Le président de Liberté qui parle d'argent, Bon, vraiment, c'est c'est vraiment euh, un aspect sur lequel je n'aime pas trop m'attarder parce que, euh, évidence, les clubs là se sont réunis, ils ont signé leur pétition, ils ont envoyé la fédération qui a pris les dispositions réglementaires selon les textes pour en tout cas revoquer la Ligue de Niamey. Maintenant, c'est sûr que ça va pas rester comme ça, c'est sûr que les gens vont tenter de réagir. Euh, et ils vont peut-être même vouloir aller en justice, faire un procès. Je pense que euh, la Ligue étant sous la coupe de la fédération de toutes les façons, la fédération a le dernier mot et je pense que les textes ont été légalement respectés pour quand même euh, revoquer cette ligue. Moi, c'est cet aspect seulement qui m'intéresse. Si les textes sont respectés, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas revoquer une mm. ligue tout entière. De toute façon, est-ce qu'il suffit de respecter les textes pour destituer Non, mais puisque y a sur les il y a 29, oui, y 38. Mais c'est fini. Quand on dit que vous avez, il y a 28 clubs sur 38 qui ne veulent pas de vous, mais ça veut dire que le problème, il est déjà profond. Et que, il n'y a, a rien à faire, que vous allez partir. Maintenant, qu'est-ce qui fait, motive tout cela Ça, c'est une autre paire de manches. Mais je pense que, moi, pour moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est de savoir si les textes ont été respectés. Et, à avoir la lettre de la fédération, j'ai vu qu'ils ont parlé de statut, d'article 10, tout ça. Donc moi, je suis reconforté. Le reste, vraiment, euh, ce n'est que de la chimère. Euh, c'est clair que c'est vous avez entendu, on a parlé d'argent. Finalement, c'est délétère. Voilà. Merci, merci pour ces précisions. Je rappelle que nous attendons d'une minute à l'autre l'autre invité, le président de la Fédération nigérienne du Maracana et discipline associée, Monsieur Sadou Megizo. Nous revenons au studio avec nos invités et je redonnais la parole à, à, Monsieur Haruna Ousmane qui est le président de la Fédération du sport paralympique. Qu'est-ce que c'est que le sport paralympique de façon ramassée ben Et qui euh, est concerné par cette discipline Tout à fait. Le sport paralympique ou parasport ou handisport, c'est-à-dire euh, les, trois terminologies sont valables, euh, c'est un sport adapté qui est pratiqué par des personnes en situation de handicap c'est-à-dire des déficients physiques, visuels, auditifs, intellectuels, etc. même intellectuel. Oui, même intellectuel, effectivement. Donc, euh, c'est euh, un, cadre de sport qui leur est réservé, en tout cas pour euh, améliorer leurs conditions de santé, pour euh, en tout cas démontrer leur talent, pour ne pas se laisser vaincre par le handicap ou la déficience, et pour aussi leur permettre, en tout cas, de pouvoir compter sur leurs capacités et aussi, euh, c'est-à-dire euh, promouvoir, c'est-à-dire contribuer au développement du sport dans leur pays. Donc c'est euh, ça en fait la définition du sport paralympique qui est aussi appelé parasport ou handisport. Et comment c'est organisé au Niger euh, Est-ce que tout le monde pratique tout, Vous avez cité pas mal de personnes handicapées. Tout à fait. Tout le monde le fait ici euh, Au Niger, effectivement, le mouvement de handisport ou sport paralympique a commencé en 99, plus précisément le 30 octobre 99, euh, suite à la création de la Fédération nigérienne euh, de sport paralympique. Euh, c'est vrai, avant 99, les associations, d'une manière folklorique, je peux dire, pratiquent le sport, n'est-ce pas, à l'occasion des journées nationales ou internationales ou de certaines activités festives ils pratiquent du sport, mais pas d'une manière, euh, c'est-à-dire ordonnée, pas d'une manière légale. Mais euh, depuis l'avènement de la fédération, le 30 octobre 99, le handisport est structuré, organisé, et nous avons eu des cadres qui sont partis jusqu'à l'université de Leipzig en Allemagne pour être formés, qui ont participé à beaucoup de formations de, de, de renforcement de capacités, n'est-ce pas, en France, euh, en Italie, etc. Et, j'ai dit qu'au Niger, en fait, nous avons euh, pour l'instant quatre catégories qui sont concernées euh, par euh, la pratique du sport pour personnes handicapées. Donc, c'est d'abord les déficients visuels, c'est-à-dire les aveugles et malvoyants. les déficients physiques, donc ça c'est les victimes de la poliomyélite, les amputés des, membres, c'est-à-dire inférieurs ou supérieurs, les IMC qu'on appelle les infirmes moteurs cérébraux, euh, etc. Même euh, les personnes de petite taille, on peut les classer dans les déficients physiques. Ensuite, nous avons euh, les déficients auditifs, c'est les sourds, les sourds ou sourds muets. Mais malheureusement, eux, ils ne sont pas reconnus par le mouvement paralympique. Parce que, vous savez, physiquement, ils ne présentent pas de, de, handicap. Quand un sourd pratique le football ou le taekwondo, etc., c'est-à-dire qu'on ne voit pas le handicap euh, mais bon, pour nous autres, en chaise roulante ou euh, se déplaçant avec des béquilles, ou les déficients visuels qui, qui, qui, se déplacent à l'aide de guides, n'est-ce pas Alors le handicap est très visible. Hmm. Donc là, ils sont euh, retenus par le mouvement paralympique et le comité paralympique fait les activités paralympiques avec eux. Et la dernière catégorie de handicap, c'est les déficients intellectuels. Et ils sont reconnus par le mouvement euh, paralympiques paralympique, mais euh, c'est vrai, nous avons cette association au Niger qui est l'association sportive des déficients intellectuels. Euh, malheureusement, vous savez, eux, leur pratique du sport nécessite beaucoup de moyens parce qu'il faut qu'ils soient accompagnés. nous ne pouvons pas prendre les risques de les regrouper et leur dire rentrez chez vous. Ils vont se perdre et, et c'est un problème pour nous. Donc, pour l'instant, en fait, c'est ces quatre catégories de handicap qui pratiquent le sport paralympique, bien entendu, avec les instructions du Comité paralympique international, l'équivalent du CIO. Eh, nous sommes en train de voir euh, d'autres catégories de handicap à développer. comme à développer, tout à fait. Euh, ce que vous qui êtes euh, avec les fédérations, avec les disciplines sportives, qu'est-ce que vous pensez quand on dit sport au Niger Vous pensez à quoi Bon, c'est vrai que c'est S'ils sont pas, c'est un sport carrément abandonné, il faut le préciser. Vous savez, nous, on n'a pas, on a vraiment, ça fait combien d'années qu'on est, des, on connaît en tout cas euh, comment ça se passe au Niger. Mais je pense que par rapport à certains pays, je pense qu'ils sont carrément abandonnés, ils sont à l'abandon. Heureusement d'ailleurs que cette année, ils ont pu quand même avoir les fonds pour aller. Sinon, pour même, pour aller, c'était au, JO paralympique. parce qu'avant c'était une gymnastique avant d'aller. Même, même ceux qui sont les, les, les, les qui, qui, qui, qui, sont normaux, les normaux. Donc, euh, <laughs> eux-mêmes, ils ont des difficultés à aller à fortiori. Donc, vous voyez déjà que la barrière est là. Je pense qu'il n'y a pas d'infrastructure pour permettre à ces gens de pratiquer le sport. Il n'y a pas, il y en a pas véritablement. Puisque, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont notamment des chaises roulantes pour jouer au basket? Je ne pense pas. Est-ce que les moyens sont là? Tant de questions qu'il faut se poser. Je pense que, bon, en tout cas, euh, euh, je loue vraiment son courage parce que ça, c'est vrai, il a parlé depuis 99 qu'il est là à la tête, euh, il se débrouille, il se débat, mais véritablement, il se bat comme il le peut. Mais, mais véritablement, le sport, le handisport est toujours quand même des problèmes à l'abandon, vraiment. Des problèmes pour le handisport, des problèmes qui sont peut-être contenus dans, dans une politique sportive. Est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a une telle politique au Niger Oui, tout à fait. À ma connaissance, il existe une politique nationale de sport au Niger. Et dans cette politique, on fait référence à la pratique du sport par les personnes en situation de handicap. Euh, malheureusement, euh, cette euh, politique, comme on dit, connaît une application très timide. Et comme l'a dit Sekou Ibrahim, en fait, les aspects liés au handisport ou au sport paralympique sont parfois euh, marginalisés. il, a, il vous a parlé d'accessibilité. Voyez-vous, euh, nous souhaitons vraiment pratiquer le sport, mais même notre stade actuel, le stade général Sénikounté, eh, parfois c'est pas tellement accessible pour nous. Mais quand, on parle de politique sportive, en principe, vous êtes des acteurs, vous êtes associés, et euh, au finish, c'est un document qui concerne tout le monde qui est adopté. Oui. Ça veut dire que vos préoccupations sont prises en compte. Bon, c'est ce qu'on dit théoriquement, comme on dit. Mais euh, je vous dis que nous euh, nous dans La théorie, qu'est-ce qui est Dans la théorie, c'est ça. Mhm. En fait, que euh, l'État mène des actions ou l'État a l'obligation de mener des actions en faveur du développement du sport. C'est-à-dire qu'en subventionnant, en appuyant techniquement, matériellement, etc., pour que les sports spécifiques, c'est-à-dire je parle du, du, du, sport paralympique, puissent être développés. Mais voyez-vous, il a fallu, nous, en tant que fédération, avec notre délégation de pouvoir, c'est vrai dans la politique aussi, il est dit que l'État donne ou accorde une délégation de pouvoir aux fédérations. pour vraiment exercer leurs activités. Nous avons cette délégation de pouvoir, mais l'accompagnement de l'État n'est pas vraiment effectif. Et je vois parfois ça manque même. Il y a une carence euh, du point de vue accompagnement de l'État. Et c'est ce qui fait que. Quelles sont ces carences sont euh, ces, ces carences, c'est que, en fait, au-delà des fédérations comme le football, excusez-moi de les souligner, ou de la lutte traditionnelle, il n'y a pas une fédération qui peut se dire, qui peut lever les mains pour dire que moi je suis subventionné par le ministère du Sport. Il y a ce manque de subvention. Et c'est-à-dire, et encore quand euh, on veut participer à des compétitions ou des événements sportifs à, l'international, il faut se batailler. C'est-à-dire que vous transmettez des budgets, mais c'est pas tout qui est financé par le ministère. Donc parfois, vous êtes découragé avant même de prendre part à la compétition. Ensuite, euh, c'est-à-dire le renforcement de capacité. Nous avons des entraîneurs euh, qui sont là, qui ont besoin de renforcement de capacité. Et chaque fois quand nous écrivons au ministère de tutelle, ils nous disent qu'écoutez, euh, faites avec ce que vous avez, qu'il continue. Et vous savez, le monde sportif, vous le connaissez euh, aussi que moi, c'est un monde dynamique, là où les techniques sont toujours, euh, c'est-à-dire dynamiques, changent au jour le jour ou pendant des, des, des, compétitions sportives. Mais euh, nous, on ne suit pas, on est toujours resté, euh, c'est-à-dire dans notre conservatisme, si j'ose le dire, et que euh, les choses ne bougent pas. Et, et, et je, je, vois que nous sommes en train de faire des grands efforts, nous nous sacrifions parce que je sais que pour ouvrir même la voie au Niger, pour que nous sur ces sacrifices que vous faites personnellement. D'accord. Euh, donc euh, apparemment il y a une différence dans l'appréciation des disciplines. Si j'écoute bien, Monsieur le Président, il a euh, parlé de football, euh, de la lutte, etc. Tout à l'heure. Avant tout cela, quelle est dans la partie politique sportive au Niger Qu'est-ce que vous appréciez dans ce document, s'il y en a, Moi, pour moi, d'abord, je ne sais pas d'où est-ce qu'il était. Moi, pour moi, il n'y a pas de politique sportive. Il n'y a, pas de document sur la, le sport. Il y a un document qui n'a jamais été, eh, en tout cas, ratifié ou en tout cas signé. Parce qu'il y a même un décret d'application qu'on devait faire signer. Et chaque fois, tous les gouvernements qui se sont succédés ont toujours remis ça au calendrier grec. Parce que ça donne eh, véritablement eh, des moyens financiers, des moyens en tout cas pour parce que euh, une politique sportive, si vous la prenez dans son ensemble, dans sa globalité, c'est un projet, c'est des projets. On ne peut pas aujourd'hui, quand vous voulez, euh, c'est des, des, projets. C'est à le football. Oui, par exemple, quand vous prenez le football, vous dites, OK, on veut, il faut qu'on aille à la Coupe du Monde dans 5 ans. Donc, pour que le Niger participe à la Coupe du Monde, c'est donc, voilà, le projet est lancé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Niger puisse participer donc, il faut. des objectifs bien précis, bien clair, Et vous allez atteindre l'objectif, c'est sûr. Ça, il n'y a même pas à, se, euh, en tout cas, à tergiverser là-dessus. C'est des objectifs. Vous vous donnez ces objectifs. Vous mettez les moyens qu'il faut. Dans cinq ans, le Niger sera en Coupe du Monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens n'ont qu'à vu. Un ministre, parce que d'abord, il y a la stabilité des ministres même. Parce que vous venez, vous faites quelques mois, quelques deux ans, et vous partez. Et c'est ce qui fait que cette instabilité-là <laughs> fait L'État, c'est une continuité. Oui, mais, mais, mais, parce que vous qui venez, encore, maintenant, il faut qu'on vous présente le texte, vous allez, il y a toujours des gens qui vont dire, non, attention, si vous signez ça, c'est la mort, c'est ceci, on peut pas, l'État ne peut pas financer. Parce que aujourd'hui, l'État doit financer. L'État doit avoir des objectifs clairs. Et c'est pourquoi je suis étonné, il y a un ministère des Sports. Normalement, l'État doit exiger qu'il y ait une politique sportive bien ficelée, un dossier avec des objectifs par rapport au volleyball, par rapport au handisport, par rapport au football, par rapport à la boxe. Mais vous voyez aujourd'hui, euh, c'est malheureusement, euh, il n'y a pas deux ou trois fédérations qui organisent des activités au cours de l'année. Il l'a dit, c'est le football. C'est le football parce que eux, ils qu'est-ce ont... qui, qu'est-ce qui fait cette différence entre les ben, fédérations il n'y a, y a même pas de politique, il n'y a pas de moyens. Oui, d'abord, il y a, y a, la volonté des, des, des dirigeants de, Il la a L'État ne, finance pas le, le, le, championnat, mais il se tient. La fédération se donne les moyens. C'est vrai qu'il y a une subvention de la FIFA, mais avec des rubriques bien précises. Donc, mais en tout cas, la FENIFOOT, est pour cette année, par exemple, ils ont par un partenaire, un excusez-moi, de qui va donc sponsoriser le championnat. Donc euh, il va donner des maillots, de l'argent au club, c'est comme ça. Mais vous pouvez pas euh, exiger ça du, volleyball ou du basketball parce que tout simplement, les gens, euh, c'est là où il y a beaucoup d'activités, c'est là-bas que vous allez partir pour chercher un partenariat. Une fédération. Cet argument d'activité, est-ce que, je veux m'adresser au président, est-ce que ça tient ça tient quand même. Moi, je, dirais que. C'est-à-dire, euh, je pense que quand euh, vous, allez voir notre programme d'activité, c'est-à-dire chaque année, nous avons autant d'activités que la foot Et nous sommes déterminés, en tout cas, si nous avons les moyens, d'organiser de, d'organiser ces, activités avant la fin de l'année. Et chaque année, le ministère de tutelle du sport nous demande, euh, à partir du mois de, de janvier, ou de, de, fin décembre, de leur transmettre ce programme d'activité. Donc, moi, j'ai dit que, en fait, euh, pour la FENIFOOT, c'est vrai, il a parlé des subventions de la FIFA, du comité, ils ont beaucoup de, de, la fédération. Mais c'est vrai, le dynamisme là ne manque pas, parce que nous autres, on peut se dire aussi dynamique, mais nous n'avons pas assez de partenaires. Voyez-vous, eux, avec les, compagnies de téléphonie cellulaire, avec euh, la FIFA, avec euh, certaines organisations, fédérations internationales. Oui, mais il y a les, Jeux olympiques, euh, le, comité olympique, non Le comité international paralympique. nous, en fait, le, CIP, le comité international paralympique, ne nous finance pas. On n'a pas de subvention. Il n'y a pas, parce que nous, en tant que fédération nigérienne de sport paralympique, nous faisons fonction c'est-à-dire de fédération, du comité national paralympique. Et c'est maintenant dans peu de temps, nous allons tenir une assemblée générale, ériger les quatre associations membres de la fédération en fédération et faire disparaître la FENESFA pour euh, créer un comité national paralympique. Sans ça, euh, pour les Jeux de Tokyo 2020, nous aurons des problèmes de participation. Ça, c'est une euh, règle, une nouvelle demande, exigence du comité paralympique. C'est cool. Oui, voilà. Donc, je suis en train de partir du postulat que c'est vrai, l'État, l'État, je parlais tantôt de politique sportive. Elle n'y est pas, cette politique sportive. Donc, c'est pourquoi vous voyez les gens naviguent à vue, c'est pourquoi vous avez des résultats en dents de scie. C'est pourquoi euh, vous demandez, mais pourquoi on ne se qualifie pas Mais c'est vrai, il n'y a pas les moyens pour se qualifier, parce que pour jouer, pour faire du sport de haut niveau, il faut de la logistique, il faut des moyens. Ça ne se fait pas comme ça. Je ne sais pas. Bon, mais je vais prendre l'exemple d'Alfaga il est. Mais heureusement, heureusement d'ailleurs. Champion, euh, mais vous si, si était à Niamey, il allait avoir la médaille c'est parce qu'il a eu au moins deux ans et demi de, au niveau de, du Centre international de taekwondo. Il y a eu un accompagnement. Oui, il a eu un accompagnement. oui. Mais euh, est-ce que vous connaissez Alphaga avant qu'il ne... C'est quand Alphaga a éclaté que les gens ont commencé à le connaître. Puisque déjà, il était en Allemagne. Il a gagné pratiquement tous les tournois, les Open. C'est en cela. Vous pensez que si Alphaga était resté, Alphaga, bon, ce n'est pas... C'est peut-être un don. Peut-être, mais on ne peut pas. Que ce soit le sport, que ce soit le football, que ce soit le basket, que ce soit les autres disciplines, pourquoi il n'y a pas d'intérêt face au sport Il n'y a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais il faut bien les moyens. Oui, C'est-à-dire que tout est lié aux moyens. Il ne faut pas se leurrer. Il est président de la fédération de handisport. Aujourd'hui, il vous a dit qu'il a transmis chaque année, il transmet au moins au ministère, parce que le ministère le demande, la, la, la liste des activités, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il compte faire pour la saison à venir. Il le fait. Mais y a pas, ça ne suit pas. Parce que il euh, n'y a pas les moyens, on va lui dire qu'il n'y a pas les moyens. Aujourd'hui, il ne peut même pas prendre son équipe et aller à Ouaga pour, un tournoi. Donc il y a beaucoup de difficultés, tout est lié. pourquoi il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas cet intérêt-là euh, du, politique hein, à, l'égard du sport euh, Bon, moi, je sais qu'à un certain moment, le Niger, c'est un pays de sport un pays très respecté. On nous a dit que euh, les dirigeants, euh, les autorités, et vraiment accordé une importance euh, particulière au sport et il y avait le suivi. Maintenant, moi je vois au niveau de notre ministère de tutelle, il y a un laissé aller il n'y a pas de suivi. Euh, C'est-à-dire, même hier soir, quand je voyais les gens de Jujutsu, les pratiquants de Jujutsu, pratiquer sur, en tout cas, à l'air libre, sans tatami, sans rien. J'ai dit, ben, moi, je pensais que euh, le ministère allait mettre des gens pour euh, faire le suivi, pour contrôler la pratique du sport. Et là, peut-être que s'il y a des tatamis qui manquent ou des choses qui manquent des, des, du matériel, le ministère peut euh, intervenir pour que les sports puissent mieux pratiquer, mieux être pratiqué. Mais ça ne se fait pas. le ministère, parfois, il subventionne des compétitions, des participations, mais ils ne font pas de ça une exigence par rapport au rapport. Ils ne suivent pas. Et euh, moi, je crois qu'administrativement, quand il n'y a pas ce suivi, quand il n'y a pas cette manifestation d'autorité et de la tutelle, euh, je crois que les choses ne vont pas avancer. Les fédérations que nous sommes, nous avons besoin de voir que, euh, en, disons, en haut, mhm. nous avons une autorité qui est là, qui suit de près et nous serons obligés de faire du bon travail. On va observer une pause euh, avant de revenir sur les fédérations qu'on vous en parlait. Nous revenons au studio euh, pour continuer avec nos invités. C'est Berry, euh, chroniqueur sportif à la Voix du Sahel et le président de la Fédération nigérienne du sport paralympique, Monsieur Haruna Ousmane. tout de suite, on a parlé de l'État qui, en résumé, ne s'intéresse pas beaucoup au sport de façon générale. Vous avez parlé du ministère particulièrement, le ministère des Sports au-delà de cette politique, certainement, dans cette politique-là, le financement doit être un aspect important comment est-ce que le sport est financé au Niger S'il n'y a pas cet intérêt, s'il n'y a pas cette politique. Voilà. Je veux commencer avec ces coups. D'accord. <laughs> vraiment, c'est, ça, c'est une colle parce que euh, vraiment, j'ai pratiquement euh, la vingtaine d'années avec les fédérations. J'en ai vu plusieurs présidents passer. Mais vraiment, euh, c'est la débrouillardise. Les gens se débrouillent, les gens parfois utilisent leurs propres fonds pour faire fonctionner les fédérations, pour faire déplacer les équipes nationales. De leur poche. De leur poche. Heureusement, cette, euh, avec, euh, moi je ne suis pas de la politique, en tout cas, mais avec euh, le, le, président Issifou quand même, de temps en temps, en tout cas, lui, il a pu quand même donner parfois les moyens aux équipes pour se déplacer. Parce que nous, on a même vécu la période où les gens prennent les, les, pour, les, bus pour aller, pas les bus de Rimbo et autres, parce que maintenant c'est des bus, c'est des bus luxueux. Euh, c'était des vieilles voitures, les Ben et consorts là pour euh, aller à une compétition à Ouaga, à Bamako, à Dakar. Vous voyez bien, est-ce que vous n'avez pas souvenance que l'équipe nationale a été euh, de, lutte à Conakry, plus de 3000 km aller, plus de 3000 km retour. Mais quel résultat Ils étaient derniers ils ont été battus à plate couture parce que ils ont fait trois jours de route. Nous, tout ça là, c'est des épisodes qu'on a vécu. Donc, moi, je pense que la dynamique dans laquelle, en tout cas, le président Issifou, en tout cas, par rapport aux sportifs, vraiment, il y a une dynamique qui est là et qu'il faut saluer hmm. parce que ça commence à aller. Je vous assure que nous vivons ces difficultés. Toutes les disciplines sont logées dans la même enseigne. La même enseigne. Ils sont aidés. Ils aidés. Oui, pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui. Oui, comme vous l'avez dit, bien sûr ils sont en train d'aider ceux qui veulent qu'on les aide. Parce que euh, quand vous amenez des résultats, on vous aide. Prochainement, aujourd'hui, AlphaGa, vous avez vu, la fédération de football, les joueurs, les, les cadets, les U17 qui sont qualifiés, forcément l'État va trouver les moyens pour les envoyer à Madagascar si le tournoi tient. Et forcément, il y aura des primes, il y aura tout ça. Je pense qu'il y a un œil quand même regardant par rapport aux sportifs depuis un certain temps. Depuis un certain temps. Euh, Mais par rapport au financement. Oui. Par rapport au financement. Également, je vous parlais tout à l'heure de politique sportive. C'est inclus, ils ont, il y a un document qui est là, mais je vous ai dit qu'il n'est jamais ratifié, qu'il n'est jamais signé. Mais dans ce document-là, il y a également des mécanismes pour financer le sport. Parce que, euh, effectivement, des gens sont venus, ils ont réfléchi, c'est des cas du ministère. L'accès est mis sur quoi Quels sont ces mécanismes par, par exemple, euh, les, les, avant, il n'y avait même pas cette histoire de téléphonie. Les gens pensaient déjà aux, les bières et consorts, les cigarettes, tout ça. Il faut prendre des, taxes par rapport à ça pour financer le sport. Et je pensais, je pense que c'est des mécanismes qui peuvent apporter beaucoup. Mais peut-être ce qu'il faut même euh, dans le document, c'est même prévu un, un fonds national du sport. Parce que quand ce fonds-là est là, qui, dérive directement des retombées des cigarettes et des, des, des, alcools, je pense que ça permettrait à tout le monde quand même d'avoir accès à ces fonds et de faire la, la pratique comme ça se doit. Mais euh, malheureusement, juste je vais finir, hmm. et même ça, ce n'est pas encore parce que qui va signer on avait voulu à un moment que le, autant de temps qu'il signe, mais personne ne veut signer parce que c'est contraignant. C'est contraignant. Et maintenant, vous faites, euh, je vous donne un seul exemple. Vous partez, par exemple, demander à, à une société de téléphonie mobile de, financer une activité. Ou bien la Nigélec, je ne sais pas. Il y a plusieurs sociétés, oui. Sonidep. Mais à la fin de l'année, ils sont taxés. Ils sont imposés. Pour avoir aidé. Pour avoir aidé, parce que ça ressort, les écritures sortent, comme quoi vous avez donné 500 000 ou 1 million à la Fédération nigérienne de basket. Donc, vous êtes taxé et vous devez payer les, la TVA ou en tout cas vous êtes imposé pour parce que vous avez donné mm. l'argent euh, Président, comment vous êtes financé Comment Vous, vous êtes comment vous êtes financé pour arriver à ce vous êtes allé euh, vous êtes allé à, la euh, aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques. Vous faites des activités. Oui. Puisqu'il n'y a pas un financement de l'État mm. et que c'est de la débrouillardise, comment vous vous débrouillez Oui, en tout cas, j'ai dit, je soutiens ce que Sekou Ibrahim vient de dire, c'est de la débrouillardise. Euh, parce que nous, même pour euh, aller à notre première participation aux Jeux paralympiques d'Athènes de, de, de, en Grèce en 2004, il a fallu un ami américain euh, de l'extérieur qui nous a envoyé l'argent des billets et les, frais pour vraiment faire le déplacement. En 2008, nous avons encore quelques partenaires qui nous ont appuyés. Le ministère a complété pour les Jeux de Pékin. En 2012, effectivement, c'était euh, un appui du ministère du Sport. Et en 2016 également, on a eu le ministère du Sport qui nous a appuyé avec quelques partenaires. Mais il faut se dire que c'est ce partenariat-là qui n'est pas très développé au Niger. Nous n'arrivons pas à convaincre euh, comme euh, certains pays, c'est-à-dire euh, nous n'arrivons pas à, convaincre. Il y a un fonds, surtout pour le sport pour personnes handicapées. Au niveau même du système des Nations Unies, vous savez, il, y a, il existe une convention relative aux droits des personnes handicapées, la CDPH, qui a été ratifiée par le Niger en juin 2008, par l'État du Niger, y compris son, son protocole facultatif. Et l'article 30 de cette convention traite du sport pour personnes handicapées. Et euh, l'État, le système des Nations Unies doivent contribuer. Mais nous, chaque fois, on a des problèmes, en tout cas, d'accéder. Même avec les, les Nations Unies. Alors que quand nous, nous participons, nous voyons d'autres pays tels que la RDC, la République démocratique du Congo, et tels que euh, les pays euh, Rwanda des Grands Lacs, là, ils sont financés par des systèmes des Nations Unies et nous voyons que euh, leurs chefs de mission, certains de leurs, certains de leurs membres de délégation sont même logés à l'hôtel. Et mais nous, au Niger, vous savez, on est obligé de loger dans les villages paralympiques ou olympiques avec, euh, avec nos gens. Donc, en fait, euh, le problème de financement se pose, en tout cas à notre niveau, parce que parfois, comme euh, l'a dit Sekouberi, quand nous voudrons faire des activités, nous sommes obligés de préfinancer. Et parfois, quand on préfinance, nous, en tant que responsables de ces fédérations, vous ne serez jamais remboursés. Sekou Qu'est-ce qui explique ce, blocage Vous avez parlé de contraintes. Par exemple, une société qui donne 500 000 francs est taxée. C'est une contrainte. Et il y a le fait d'accéder, par exemple, au système des Nations Unies pour avoir des financements. Pour eux C'est apparemment, oui, pour eux, bien sûr. Absolument. Mais toujours est-il dit qu'il y a des, difficultés. Oui, les, difficultés sont là. Où est-ce que ça bloque Ça bloque aujourd'hui, Amado, vous êtes en train de faire du surplace. Ça bloque où C'est l'État. Aujourd'hui, c'est l'État qui décide. Si le ministère des Sports prend ce document-là, il l'amène à l'Assemblée ou au Conseil des ministres pour dire voilà comment il faut financer le sport. Parce qu'on ne parle pas d'un sport, de, on parle du sport en général. Ce n'est pas le football, ce n'est pas le handisport, c'est tout le monde. Et il faut avoir une vision. C'est une vision. Est-ce que, est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire pour être Je pense que euh, peut-être que ceux qui ont la charge, en charge le ministère des Sports. Et c'est dans cette vision que le MENA est qualifié Non c'est du, ça veut dire que c'est des résultats en dents Le MENA est qualifié par la volonté. de ses, je dire. de ses dirigeants. Et un peu l'État qui a aidé, parce qu'il faut le préciser quand même, l'État, chaque fois que euh, le MENA en tout cas est en activité, l'État en tout cas s'implique. Mais je pense que, euh, moi je pense que l'État doit avoir une vision plus globale. Euh, je suis, c'est vrai que on ne va pas continuer. il faut donner à toutes les fédérations. Parce que les talents existent partout. Vous avez vu nos jeunes qui ont éliminé en football. Qui a pensé qu'on pouvait éliminer le Nigeria ah, et euh, aller à Libreville faire un match nul Vous voyez, donc les talents sont là maintenant, il faut les mettre en, œuvre. Les, jeunes sont là, ils ont besoin de jouer, il faut, il faut faire en sorte, de donner le cadre, créer le cadre. Donc la difficulté aujourd'hui réside dans le fait que le document de la politique sportive nationale, elle est là, mais en tout cas pas. On a, on a beaucoup mis en cause l'État. Non, mais peut-être qu'il y a d'autres acteurs aussi qui peuvent faire mieux. Je vais peut-être parler des fédérations. Hein, au niveau des fédérations, quel, rôle elles doivent jouer pour la promotion du sport Je dirais que nos fédérations, euh, en tout cas, ont toujours joué leur rôle, c'est-à-dire euh, en rappelant à l'État son devoir et en approchant, n'est-ce pas, euh, les partenaires pour euh, appui. Mais euh, vous savez, comme l'a dit Sekou Ibrahim, il y a des partenaires. Moi, je sais que à ce moment, euh, nous avons l'habitude d'approcher des compagnies dont je vais taire les noms. nous disent que voilà, nous, on, peut, on veut vous aider, mais on n'a pas un allègement fiscal. C'est-à-dire, on va vous aider, mais maintenant, la fiscalité, là, ça va, <laughs> ça va nous être imposé. Et donc, faites tout pour que votre État euh, prennent des dispositions pour alléger la fiscalité à l'endroit de ces, de ces partenaires, de ces compagnies ou sociétés qui veulent sponsoriser le sport. Mais ils ne veulent pas, en tout cas, ces gens-là ne, ne, ne, veulent pas financer et être taxés par la suite. Et de l'autre côté encore, moi, euh, en fait, je sais qu'en 2012, j'étais en mission en Angola, à l'enclave du Cabinda, et j'ai rencontré le secrétaire général adjoint des Nations Unies qui m'a dit est-ce que le Niger bénéficie d'un fonds qu'on appelle santé sport c'est-à-dire health and sport euh, en anglais. J'ai dit euh, vraiment, Moi, euh, nous ne, moi je connais même pas ce fonds, mais je veux me renseigner. Et je vous dis que le Niger ne bénéficie pas de ça. Et tous les pays les moins avancés au monde ont à peu près une enveloppe de 1,5 milliard par an. mais sur, ce fonds santé, sport, santé sport oui. Et c'est ce qui permet aux pays comme l'Angola que nous avons vu, comme le Rwanda que j'ai vu, en tout cas de recruter des kinés, de recruter des, cardiologues, de recruter des masseurs, de recruter des nutritionnistes. Et dans tout, presque tous leurs stades, voyez, le soir, les gens sortent pour aller faire du sport. Et les gens là accompagnent ces gens-là pour améliorer leurs conditions de santé. Mais au Niger, en fait, euh, il y a un laxisme, excusez-moi de le dire. Mais vous, Président, vous pouvez approfondir quand même ce, ce, flanc que vous attendu. Absolument. mais euh, moi, j'ai exploité l'information. Mais vous savez, le système des Nations Unies n'intervient qu'à la demande de l'État. Et quand c'est Voilà, un autre blocage. Et quand c'est venu au niveau de, votre autorité... autorités, euh, ça n'a pas marché, ça n'a pas mordu. on, va prendre tout de suite l'exemple que nous avons suivi avec la Ligue de Niamey, mhm. qui a été révoquée. Bon, c'est un problème interne. Je pense que le sport, c'est aussi ça, le dysfonctionnement à l'interne. Oui, en fait, euh, euh, le dysfonctionnement. C'est un point capital quand même. Bon, ce n'est pas tous les jours qu'il y, a des crises ou une crise au sein d'une fédération ou au sein d'une ligue. Quand il y a l'argent, il y a une crise. Euh, quand il y a l'argent, il y a crise. quand il n'y a pas l'argent, il n'y a, pas d'effort. Mais, c'est ça le nerf de la guerre. Aujourd'hui, tout tourne. C'est ça quand je vous dis que tout tourne autour de l'argent. Vous avez les moyens, vous, vous, vous faites des résultats. Vous avez les moyens, c'est sûr qu'aujourd'hui, si lui, il a 1,5 milliard, les gens vont le chasser de toute façon. C'est clair, s'il a cette euh, subvention. alors, quel est le. Euh, non, euh, ils vont dire Non, non, mais l'État. Moi, le sport, le sport, c'est quand même une activité régalienne de l'État. C'est l'État qui donne délégation de pouvoir aux fédérations. Donc l'État dit, vous, ok, fédération de handisport, délégation de pouvoir pour exercer, pour aller parler à mon nom, pour aller chercher de l'argent. Mais la difficulté réside dans le fait que même si vous partez chercher l'argent, vous n'aurez pas. Il faut que vous reveniez voir l'État pour dire, ah, j'ai des difficultés par là. C'est encore l'État qui va dire, ah, telle personne ou, telle société il faut donner, ou bien le ministère. Euh, le court euh, à, sa fin, donc euh, en un mot, qu'est-ce qu'il faut faire Sur quoi il faut mettre l'accent Voilà, moi je pense promotion du sport au si véritablement on veut une promotion du sport, ce n'est pas compliqué. Il nous faut une vraie politique sportive qui englobe d'abord tous les sports, qui ait une vision, un projet on ne peut pas se promouvoir le sport sans une politique nationale de sport. Parce il faut, c'est des objectifs. Qu'est-ce que je veux devenir dans cinq ans Qu'est-ce que je veux que le, quelle discipline Voilà, voilà. Mais ça ne se fait pas. On navigue à vue. Je pense qu'il faut forcément que l'État finance. Il faut d'abord cette politique sportive. Il faut le financement. Il faut que l'État trouve une solution par rapport à ce problème de financement. Le, mécanisme l'État doit trouver les mécanismes pour financer le sport. Président, vos euh, propositions euh, euh, Ma proposition pour la promotion du sport au Niger, en fait, l'État doit être en premier chef concerné. parce que, comme l'a dit Sekou Ibrahim, même si nous allons vers les partenaires, il faut que l'État nous cautionne, il faut que l'État nous accepte, que l'État intercède en nos faveurs. Et parfois, c'est ce qui, ce qui manque. Ensuite, euh, moi j'ai apprécié une approche, je ne sais pas si ça existe encore, parce qu'en 2009, quand nous avons abrité les Jeux africains de sport pour personnes handicapées ici à Niamey, il existait un comité des entreprises pour le développement du il sport. Existe. Voilà. Et je crois que ce comité, à ce moment, bon, nous, nous avons, c'est vrai, c'était avec la SONIDEP, euh, mais à ce moment, nous écrivions sans suite. Moi, je crois que euh, tel comité euh, doit vraiment être renforcé, élargi pour contribuer au développement du sport. Et moi, je dirais encore, l'État, dernier point, <laughs> l'État doit vraiment, c'est-à-dire euh, approcher les organisations du système des Nations Unies qui disposent des fonds, en tout cas pour aider le développement du sport à travers la santé, à travers. Euh, merci beaucoup, merci, merci, Président. Pour gouverne, euh, ce, comité d'entreprise existe. Mais aujourd'hui, le problème, c'est le financement. Est-ce parce que c'est ce comité-là qui mhm qui injecte un peu euh, d'argent, de, fonds pour les sportifs. Merci, merci beaucoup pour ces merci à le football seulement peut englober tous hein. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président, le Président de la Fédération nigérienne du sport paralympique. Nous avons parlé un peu euh, du problème de, euh, de, la promotion du sport au Niger. C'est un problème un sujet très vaste qu'on ne peut pas, dont on peut faire le contour en 45 minutes. Merci pour ce, hein. merci beaucoup. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Levez les bras, saluez Criez